Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour ce premier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, Rekia Arimi et à mes côtés, Fanta Shamsou. Bonjour Fanta, comment tu vas ce matin Je vais bien, Alhamdulillah, Qu'avons-nous au programme ce matin Ce matin, Fanta, nous avons tout d'abord le flash d'information. Ensuite, il y aura la rubrique justice, comme chaque lundi, et direction Zander pour le reportage région, où nous parlerons de la consommation de la cola. Et restons toujours à Zender pour l'entretien du jour. Oui, plus précisément de la commune de Bandé, où notre reporter Assoumana Aboubakar s'est entretenu avec Shamsia Hassan Indam, réputée de la préparation, de la préparation de la boule à base de mille, ou fera tout simplement. C'est une référence de la vie. Sans oublier bien sûr une bonne dose de musique 100% nigérienne. Chers auditeurs, comme annoncé, nous allons commencer avec le flash d'information présenté ce matin par Rukayetou Abdurrahman. Bonjour Rukayetou. Bonjour. Fanta et bonjour euh, Rakia. Alors aujourd'hui, 2 octobre 2023, les établissements de l'enseignement général, technique et professionnel ouvrent leurs portes pour accueillir près de 4,5 millions d'élèves et plus de 5 000 enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette rentrée scolaire, environ 1500 tonnes de matériel scolaire sont acheminées à travers le pays par les autorités. Ensuite, dans une interview exclusive accordée à la radio-télévision du Niger RTN par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef d'État, le général de brigade Abdraman Chani, s'est dit surpris et même gêné de la hausse des prix de certaines denrées sans raison valable, alors que suite aux sanctions infligées au Niger par la CDAO, les autorités ont échangé avec les opérateurs économiques sur la du pays. C'est ainsi que des escortes militaires sont mises à la disposition des importateurs pour sécuriser le concert avec le Burkina Faso l'acheminement des denrées alimentaires de Dori au Burkina Faso jusqu'à Niamey. Ce sont des moyens de l'armée que l'État met à leur disposition. La seule contrepartie est de maintenir un niveau de prix raisonnable. Il est dommage de constater aujourd'hui que des commerçants nigériens sont à la base de la flambée des prix a déploré le président, rappelant que le Mali et le Burkina Faso avaient connu la même situation qu'ils ont réussi à surmonter parce que certains de leurs opérateurs économiques ont même accepté de vendre des darés à perte pour aider les populations. Enfin, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des Affaires publiques, Daouda a officiellement lancé ce, le dimanche 1er octobre 2023 au CG25 de Niamey les épreuves écrites du concours de recrutement des officiers collatéraux sous-officiers couplés au concours interne appelé sous semi direct de 15 sous-officiers de la garde nationale qui vont prétendre aux gardes d'officiers. Plusieurs spécialités sont retenues dans ce concours. Il s'agit entre autres des médecins généralistes, des médecins chirurgiens, des infirmiers, des juristes, des cartographes, maintenance réseau et télécommunications, et j'en passe. Ces épreuves écrites font suite aux tests physiques effectués samedi 30 septembre 2023 par les candidats à notifier le lieutenant-colonel Maina Moussa. C'est tout pour ce flash d'information. Merci Rocky et bonne journée à tous. Merci. Chers auditeurs, nous l'annoncions tantôt dans la rubrique Entretien du jour. Nous allons faire un tour à bande région des Indes pour parler des mets très appréciés par les consommateurs. Nos reporters Asuman Aboubakar et Mamanada se sont entretenus avec Shantia Hassan, une vendeuse de foura la boule à base mille. Fanta, avant de les écouter, faisons un premier tour à musique avec le titre Sherifa de Lacha Omega. Bye. compositeur Seydou Ide dit la a enregistré son troisième album quand la mort s'est venue et euh, est venu l'arracher à notre affection. Après un passage dans plusieurs groupes de la capitale, dont Samarie Nouvelle Formule, il a fondé le groupe Bazara Band avec le guitariste arrangeur Gambo, le bassiste Bob et Steve, et Steve le batteur. La a marqué la scène musicale nigérienne avec le titre Keri, Sherifa, Gawize et surtout Andunya dans lequel il chante la mort. C'était le titre de Sherifa du Lacha Omega. Voici tout de suite l'entretien du jour. Ce matin, nous allons à la rencontre de Shamsia Hassan, originaire de la commune de Bandé, dans la région de Zender. C'est l'une des vendeuses de boules le plus connue dans sa commune. Elle est au micro de Asmana Bobakar et Maman Ada. sana'a ta huda kawai nake saidawa ita wannan horar da kuke saida kakami ake da farko zan je in siyo hatsi bayan na siyo hatsi zan zo na rarraba shi in beka mashin a surwa mini in an surwa mini zan wanke hatsi in na wanke hatsi zan ɗauko kayan kamshi kamar su citta su karamfani in daka in kai shi tahuna in na dawo daga tahuna shine zan dauko rariya in zan zamna in tankade shi in na tankade shi na wanke tukwane na na dora su a wuta na sa ruwa zan kilifta shi a cikin turmi in je gurin wutar wannan na shi in tibra shi da hannuna na nasa a cikin wuta in ya jima ya samu kaman awa biyar a kan wuta shine zan je ni da tabarya in tattaka shi in dauko in ka cikin turmi in kirba shi in kawo turaren wuta kusa na saboda guda in aikata shi in na kare shine zan cittibira shi masu nono na kuma suna zuwa su ma hulani daga daji ita wannan hura Mm. kuma tana iya ɗauka kamar lokaci nawa kan wuta da na sawata a gyara ta gaba ɗaya tun daga hatsi har ta a samu hura wadda za a amfani da ita yauwa zan wara ta dai kamar karfe tara ko ina kare ta karhe shidda na marice eh yanzu na fara wanke shi kenan yanzu na fara daga tiya 20 har zuwa 28 nake yi kullum dun kullum aiki ne babba a kullum ina ta tiya 28 to ke kadai kike a da hulani na ga sanan masu kama ma a gaba ma guda ta zo su uku ne mu hudu muke yin ta to ana cewa samsiya ne hura shin ita wannan sana'a kin koyi ta ne ko ku da eh wannan sana'a na koyi ta tunda kakata ma da na tashi ta naga tana yi bayan kakata mamma ta tazo ta kama take ni ma na gani na koya nake yi za a yi cewa kawai gado ne abun a mun ah, kawai ya zama gadon ma a gurin mu <laughs> haka ne eh, an san da eh, wannan aiki yana buƙatar ƙarfi eh duk ke daukar ki dai kasuwa ki so zo ko kira da wanda suke kamun hatsi almajirai nake sa su je gurin masu aunawa su jido su kamin shi gida hatsi ne kadai kike gurara ko ku akwai kuma wata hura ta daban a hatsin da na shi aiki da shi He dai kuma in na rasa hatsi ne mu dawa ni yi dan miska amma he in na rasa hatsi to me yasa mutane suka fi da mun ka zo na an ce mana akwai hura shamsiya eh <laughs> saboda mun gaskiya muna ko da yake mutum bai azuga kan shi da kanshi yanzu dai na tabbata ko yaro ka ne ma ka aika shi kawai da gudu guri na zai zo ko wani guri ka aika shi ta ni ma ga inda mutane suke sai canza ni haka ne can yake to ki bambance hurar murya da ta nan hurar murya ito gaskiya yanayi ne tunda akwai wani yaron sarkin murya da ya zo ya zo gurin wani ya zirace yake ce zo mu je mu uh, bande ka sha hura yake ta mu hura mu yan murya gwada mana hura to amma da ya zo ya sha wannan yin wa ya ce to daga can ma zan yi aikowa kuɗi na kana saya mini ana aika min duk lokaci lokaci ana kawo kuɗin shi ana saya musu hura ana kai mishi to an ce tun da kin kawo batun mutane suna sau ana aiko jama'a domin su yanke daga wasu ya ke haɗa hura ki kai ki aika ta tun da hawan wata uwar duniya kamar yanzu wanda za yi kamar niyame ma yana zauwa ya gaya mini kamar tun yau in gobe zai nake ta da ita ina tashi tun sassafe lau in wanke hatsi in zo in gyara shi in huda tsakuwar take ciki in gyara in mishi to akwai dan nonon wani da nake da hura shine nake dan tsakura kafin in kirba shi kenan ya tsakurka dan in sa kamar na mata yadda ba ta lalace bane ba kenan daga nan hanya mi ana kai ta ba abin da take yi kullum masu shan hura mashahura suke yi wannan tambaya eh. shin hurar da ta kwana mm. da sabon hura wacce ce take a naki tunani yawwa wanda ta samu dai a lokacin ta ta garbi eh. ta yi gardi kamar sabon hura ta yawa ta yi gardi da nono sabo ba eh Coach sana'a mm. matsayi eh wannan sana'a tana biya miki bukatu to ni gaskiya da yanzu ko miliyan kaman kace in canza sana'a ba na iya ba kawai he wannan ma'ana tana biya miki bukatu sosai ma da kyau to wani irin bukatu haka bukatu kenan tun da dai ga yara na nan Allah ya hore mini zan kula da su akan sana'ar wannan wayan siyan uwana wani taimako na cikin gari in ya samu a cikin dalilin sana'ata zan iya dauka in biya bukatata. ta mm. Chers auditeurs, c'était la première partie de l'entretien du jour. Avant de poursuivre, je vous propose d'écouter le titre Tarienje de Bilal Keït. irma fakare sunya gore ono go basuru salama hare raje ji bombere sama dunia o kabala sabu dari enje fo problem awozo bela me chetani rajin Usanju zozara maizo Bala izo kanorizo dizo guru mancheizo Niga neko nijarizo Birna kamata gerze irze baga yere bunda C'est Mustafa Alpha Keita dit Bilal Keita chante dans le registre dans le registre reggae depuis son enfance Bilal écoutait beaucoup ces genres musicaux notamment de chansons de Bob Marley puis celles d'Alpha Blondie c'est là où il a développé son amour pour le reggae. Il débute sa carrière en tant que danseur dans les années 88-89 dans le groupe Homeboys, puis en 95, il intègre le groupe de rap Wangari qu'il quitte après pour rejoindre un autre, le Waswang. Mais avec le temps, il a compris qu'il était fait pour le reggae. Du coup, Dewa il part pour une carrière en solo en 2004 et sort son premier single, La fête au village ou Talca. Tari mais juste après ses démarrages, il s'éclipse pour, approfondir ses notions de l'interprétation des versets du Coran. Après, Bilal Kate fait un grand retour dans le monde musical pour apporter une couleur originale de l'Afrique, d'où il a enregistré un, album qui a le couleur africaine mixée avec des couleurs d'ailleurs qui comporte 10 titres. Aujourd'hui, Bilal Kate a encore pris un recul. N'interromps la dignité de l'humanité, renonce à ses calamités. N'affligeons pas aux religions les dérogations des fidèles. Ce monde pourra sa partout la guerre, discrète et toute guerre. Boremana, Ungun Boregaba, Boremana, Zemson Afrikizo, Amerikizo, Europezo, Azizo, Oceanizo, Niganego nego Niganego andamizo, Dirne kamada gerze irze bege yede La première guerre mondiale, n'a pas servi de leçon. La deuxième guerre mondiale, cacao le sang. Israël-Palestine, n'a pas servi de leçon. La situation dans le corps, à Les faux problèmes plongent le monde dans un Les innocents ont la mort comme emblème. Les faux problèmes plongent le monde dans un dilemme. Les innocents ont la mort comme emblème. chers auditeurs, après cette balade musicale, nous allons écouter la deuxième partie de l'entretien du jour. Cette fois-ci, Shamsia Hassan évoque les principales difficultés qu'elle rencontre dans son activité. Elle est au micro de Asman Aboubakar et Maman Ada. Ah, to la ko jiya mun yi wannan hirar ni kaina ina kiran yan uwana mata kowa zo ya kama sana'a tunda zama haka nan gaskiya ba alheri bane tunda ni ina zama tun ina zaman haka nan naga abin batta gyara ni yanzu shine na kama sana'ar wannan tawa a cikin dalili wannan sana'a ta yan uwa kai kansu haka makwabta kowa yana mangari yana ya zai iya wani suna zuwa kadan kadan yana gwada musu yadda ake yin ta tunda wani sa sun hara ma kina yake mutane da suke so su koyi wannan sana'a ta ke kira ba su dama insha Allah ni da kaina nake kirawo su nan gurin ce su zo su kalla yadda ake kenan dan su gane tunda suna tambaya ta kin taba aiki tare da wasu kungiyoyin mata haka game da wannan sana'a ta a a dai ko game da tunda matan suna zawa dai haka ne kamar daya biyu suna zawa suna kallon yadda nake dai wani zama har su kama dan saka me suna so dai su koyi har tambaya ta suke aiki kaza ake mu in mun yi batta yi ke ne ne kike yanzu to ku zo ku gani suna zawa mace daya mace biyu wata suna zawa muna yi da su tun ɗin kina fata su ce su kama wannan sana'a insha Allah sosai <laughs> sosai to yanzu eh. matsaloli ne kuke cin karo da su a cikin wannan sana'a a cikin wannan sana'ar matsala ta kawai ni ɗaya lakanci sai dai kawai ina nemi hatsi na rasa shine matsala ta amma bani da matsalar komi itace eh wani itace wani ruwa da sauransu komi ina bani da matsala shi kawai matsala ta ce babu hatsi a dole ne <laughs> dole ne shi nono mm. an san da akwai wanga na bariki shi eh. wanda nono ne kuka aiki gaskiya ni na barikin ban aiki da shi na shanu kawai musamman nake aiki da shi shanun kamar yadda kike aiki ke sana yauwa kamar yanzu wani gamin su kawo mini shi nan gurin wani gamin in naga sun bata lokaci ba su kawo ba zan dauki moto ta hirgage gida gida ta taro in kawo yanzu kamar kina isayen kawai adadin nono kamar na nawa gaskiya nono wani gami ina sayan na arba'in wani gami ina sayan na talatin da biyar wani gami ina sayan na arba'in da biyar a nono baya tsada kamar inda mana ta zo ina sayan na jika arba'in wata ina sayan na da biyar tunda bokatai ne ga su kalar su na cika guda hudu din ɗaya yana daukar na jika goma sha biyu ga kalar su kenan bokici hudu ne yana daukar na hamsin babbi ma ga kalar shi nonon shanu ne fir tunda kullum ko ka huda zaka ga dungule a jikin shi to a da in ka sayi ba ka nono to ga lokaci a nono akwai shi kawai yana samuwa yanzu kawai sai ni ta da mun hura ta 40 eh ba sai na sai nono a ba sai ka sai ba kawai ka ban 40 ka kare zan daidaita an sama ko hura dala 20 nonon dala 20 kawai na biya ka ga kalan nonon duk sana'a tana buƙatar tsafta. Eh. Shi kuke ta da tsafta game da wannan abinci ne wanda za a sha a ciki. to kamar bangaren tsafta yanzu dai daga gari ya waye in na tashi zan ta in shashare gida in tattara kayan aikin hura in wanwanke su bayan na wanwanke su ga hatsi na a kusa na in na niko zan zo in tsaya kan ma'aikata na wata tsakuwa na datti da yake ciki duka su hukunta mini in mun je kirbi zan dauko wutan kan ajiya na gurin saboda guda masu gilmawa zan kiyaye kaya na in wanke kayan su mun duka su wanwanke hannuwa su duka a kama aiki gaba daya ina tsaya kan su akwai babban aiki shine kirba dawan eh kirba dawan ba eh da kadi gaskiya Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalango. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Rekia, poursuivons notre émission avec la rubrique hebdomadaire justice. Oui, Fanta, nous allons parler du licenciement un travail du travail, et droit du travail qui représente la possibilité pour l'employeur de mettre un terme au contrat d'un salarié. Cette possibilité est rigoureusement encadrée par le Code du travail. Pour en savoir plus, écoutons le juriste Abdul Razak Mahazou, doctorant à l'université de Ouagadougou, interrogé par Tarnan Foudey Ahmed. Qu'est-ce que c'est que licenciement En soi, le licenciement peut se définir par la décision unilatérale de l'employeur de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée, au contrat de travail intermittent ou au contrat de travail à temps partagé. Quels sont les motifs qui peuvent justifier un licenciement Les motifs de licenciement peuvent être de deux sortes. Il y a un motif personnel et il y a un motif économique. Pour les motifs personnels, c'est le licenciement qui est prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié. Donc, le licenciement pour motif personnel doit être justifié pour une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire une cause objective, existante et vérifiable, une cause qui revêt une certaine gravité et qui rend impossible la continuation du travail. Et si dans la majorité des cas, le licenciement pour motif personnel intervient lorsque le salarié a commis une faute, par exemple le salarié qui ne vient pas travailler et qui ne justifie pas euh, de son absence, ou le salarié qui refuse d'effectuer son travail, le salarié qui fait preuve de négligence ou d'indélicatesse dans l'accomplissement de ses missions, et les injures d'un salarié à l'égard d'un collègue, et l'insuffisance professionnelle du salarié ou l'insuffisance de résultats, en tout cas toute attitude qui peut nuire à l'employeur ou à l'entreprise. S'agissant du licenciement pour motif économique, il doit intervenir lorsque l'entreprise subi des difficultés économiques ou des mutations technologiques ou l'entreprise qui subit une euh, réorganisation qui est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une entreprise qui subit une cessation de son activité ou la suppression, la transformation d'emplois, etc. Quelle est la procédure du licenciement La procédure de licenciement obéit à une condition de forme. Dans le cadre de cette procédure, l'employeur doit d'abord convoquer le salarié à un entretien. À la suite de cet entretien, l'employeur doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Et s'entame alors la période du préavis à l'issue de laquelle le salarié concerné sortira de l'effectif de l'entreprise. Mais il faut préciser ici que le préavis n'est pas obligatoire en cas de faute grave ou en cas de dispense de la part du salarié. Que faire en cas de licenciement abusif En cas de licenciement abusif, le salarié pourra demander à être réintégré dans l'entreprise. Et s'il n'est pas réintégré, le juge pourra accorder une indemnité pour licenciement abusif. Donc, le licenciement abusif, c'est un licenciement qui a été prononcé sans cause réelle et sérieuse. Y a-t-il une indemnité légale en cas de licenciement Il y a une indemnité légale qui est due pour un salarié en contrat à durée indéterminée et qui a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ou pour motif personnel, sauf euh, en cas de faute grave ou en cas de faute lourde du salarié. Et le montant de cette indemnité légale de licenciement varie en fonction de l'ancienneté. C'était le juriste Abdelrazak euh, Mahazou au micro de Tarnan Foude Ahmed qui expliquait le contour du licenciement en droit du travail. Chers auditeurs, encore un autre tour à musique avec Je suis jalouse du Crazy Girl. de rap Crazy Girls comptait à ses débuts trois membres Sammy Baby, Indie Baby et Irene avec un tout premier single intitulé Hey Boy. En 2014, le groupe sort la chanson Je suis jalouse. Cependant, au fil des années, le groupe s'est réduit en duo composé de Sami et Indy. Et actuellement, Sami est active dans le milieu culturel, bien que qu'aucune d'entre elles ne se consacre qu'à la chanson tu me réponds, C'est ma best friend, quelle best friend. Ouvre tes yeux, cette fille est dingue de toi. Elle rêve d'être à ma place, nous met dans une impasse qui nous dépasse. Pour que ta casse, elle n'ose pas te le dire. Car je suis pas de qu'il faut avoir pour rival. Elle n'ose pas te le dire, de peur que tu la vires. En attendant, ma suis je peur qu'elle t'attire. Je suis jaloux, je suis jaloux, je suis jalouse d'elle. Je suis jalouse si tu restes avec elle. Je saurais te donner tout l'amour du monde. T'as pas besoin d'elle, non, t'as pas besoin d'elle. Non, non, je veux pas te partager avec elle. Je risque de péter les blocs si tu restes avec elle. Je saurais te donner tout l'amour du monde. Non, t'as pas besoin d'elle, non, t'as pas besoin d'elle. Je suis jalouse d'elle. Je ne comprends pas pourquoi tu à présent au reportage région et nous allons faire un tour à Zender pour parler de la consommation de la noix de cola. En effet, Fanta, la noix de cola est très consommée par les amateurs à cause de certaines vertus qu'elle renferme. Néanmoins, une consommation excessive peut être nuisible pour la santé. C'est pourquoi le médecin recommande une consommation modérée. Reportage des Arabes la noix de cola est un produit originaire d'Afrique de l'Ouest utilisé depuis longtemps comme remède naturel pour la santé. Les personnes qui en raffolent disent que c'est à cause de son goût particulier et ses effets stimulants bénéfiques pour leur santé. L'autre vertu qui lui est reconnue au sein des familles africaines est que la noix de cola aide à soulager les douleurs gastriques, les nausées et les ballonnements. Vraiment, elle est utile à plusieurs points, donc ça empêche d'avoir des nausées pour ne pas vomir au-delà. ba wai don iya kama ne kamar in ne abinci na kari tunda ban da cin goma ban da cin wata shaba ban da wani ciye-ciye in na zuciya ta zan ta kayan ɗauko goron nan in bala shi ne ke yin daɗin amfanin goron nan. goro dai wani abu ne muhimmi wanda a gargajiyance muka saba cin shi kamar da ne da nake cin goro goron ba wani muhimmanci ba gare shi a wurina idan ba ina jin wata kasala ba haka ko ina jin wani tashin zuciya haka nake cin shi kuma goron ya kasu ya rabu wani yana cin goro fari ne ya son ya ci ja cependant il doit être consommé avec modération à cause de sa teneur en caféine suggère la nutritionniste Halima Mohamed Dodo retenons que la cola elle a un certain nombre d'avantages parce que dans la cola nous pouvons bénéficier de la caféine qu'elle a et la caféine, elle peut nous fournir les antioxydants. Les antioxydants, ils sont très bénéfiques pour l'organisme. Et ensuite, la cola, c'est un stimulant naturel. Ça permet d'évacuer une certaine fatigue physique qu'on peut ressentir, voire la fatigue morale. Donc, pour ces avantages, les gens ont tendance à consommer la cola que ça soit de manière consciente parce qu'ils savent les bienfaits de la cola ou alors de manière inconsciente, ils consomment la cola et ils bénéficient de tous les bienfaits que la cola nous procure. La consommation, lorsqu'elle est modérée, elle a des avantages, mais lorsqu'elle est de manière abusive, elle a plusieurs inconvénients. Ça peut provoquer les maux de tête, vomissements. Et à long terme aussi, ça peut provoquer l'hypertension artérielle. Et au-delà même, ça peut créer une dépendance. La personne peut se sentir malade parce qu'elle n'a pas consommé de la cola. Il est donc recommandé de consulter dans la mesure du possible un professionnel de santé, surtout si le consommateur est confronté à des problèmes de santé. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et tout de suite, la page sport avec Sario Adam Yerima. Bonjour Adam. Bonjour Fanta. Alors nous débutons cette page sport à Tirozérine où notre correspondant nous amène à la découverte d'une jeune équipe. Eh bien oui, en effet, il s'agit de l'ASPK créée il y a trois ans de cela à Tirozérine dans la région d'Agadez. C'est une équipe très engagée dans le domaine du football, mais ce jeune club rencontre des difficultés. Écoute les explications de Sedou Ibrahim, l'entraîneur de l'ASPK. Il est au micro de Ahmed Felan. Euh, le club été fondé donc ça fait trois ans de cela. On travaille comme il le faut, mais on est en manque du moyen. C'est l'insuffisance du matériel pour travailler comme il le faut. Même pour avoir les sachets de piawata, c'est autre chose. Hein, quand tu prends dans mon équipe, je presse dans les quarantaines euh, de joueurs. Quarantaine de joueurs, il te faut au minimum deux sachets par jour. On fait six par semaine. En fonction de ça, donc les enfants, ils arrivent à cotiser les 50-50 francs par semaine. C'est en fonction de ça qu'on arrive à ravitailler. En ce qui concerne les ballons, les plots et les choisibles et les maillots aussi. Cette année, on a voulu donc participer à un tournoi à On a été invité, mais très malheureusement, on était donc à manque de moyens. On n'a pas pu donc y aller participer. Les jeunes ont besoin de sport. Ils sont là à chaque fois, une fois qu'ils sont sollicités et ils veulent jouer. On n'a pas de quoi donc à payer pour faire venir une autre équipe d'Agadez ou bien d'Arlit pour les faire venir jusqu'à là pour jouer. Parce qu'on ne peut pas donc euh, amener, voir 25 joueurs, dire que vous allez jouer et qui prendre leur restauration et autres. L'appel que vraiment on a besoin d'un aide en matériel et surtout euh, pour la collaboration avec Projet aussi. Si vraiment un pays avoir leur soutien, vraiment, nous, on est engagés à 100%. Parlons à présent, Adam, de notre jeune footballeur nigérien qui évolue à l'international et qui a déjà remporté son premier trophée de la, saison. Eh bien oui, il s'agit de l'international nigérien Ibrahim Moussa Didiogo qui a remporté son premier trophée avec le Coton Sport de Garoua en battant le FC Fovi de Baham sur le score de 2 buts à 0. Pour rappel, le jeune Diogo a signé son, premier contrat avec le Coton Sport cet été en remplacement de son compatriote Camilo Dauda, le jeune du club, qui a pris sa retraite et devint l'entraîneur adjoint des espoirs du Coton Sport. C'est la fin pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour d'autres infos en sport. Merci Adam. Je vous en prie. Merci beaucoup Adam et bonne journée. Fanta, passons à présent au portrait du jour. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un lutteur, euh, Saleh Douda. Saleh Douda est l'un des célèbres lutteurs qui gagne sa vie dans l'exercice du sport roi des Nigériens. Il a fait la fierté de la région d'Agadez pendant six éditions. Après la saison de compétition de lutte traditionnelle, Saleh pratique d'autres activités pour prendre en charge sa famille, suivant son portrait par Habib Garba. ay gunda wanda hinza dizi hinza gurgai to iko da nuna idan dan zama ai wo sintina dai kai tunu ai si gurgai in no ga gine sambu hi yai do isa oga to ki gine sambu hi yai do isa oga han fo iko gurgai ka kau ga bare kan dai ga gine buhi ite ka kau no su fo go na kan sabai zan kai zeri kan ikagaya ano di ite garda mai ne dir koy wo kay gini gazer ite margu margu ite 20 mil dan hini gazer imza 20 mil oy koy ga gan da mo hano da ni zeri zeri mo banda di mo kan noru kay runo din abi sai sai sa me goyo inga no na idan goyo ifo di fo no ni du gurgi ara zamma ya ni tema allah gurge alhamdulillah wanda wo kul kay ki ni sai gurgi rana ni yiji zano din arzaka fono an kunnan kai goga dai wundi hin zano goisi adin ga kul mo gurgi banda na idu wai adin ga bar mani alhamdulillah wallahi ni koy sabu gurgi ara sitina kan zang goni ga di ko bani ando igize sor fol sorinka isiza do somaga aidir ko tilberi tilberi na ize sor fo amina isambu yege da kama ya gurge inga noti mafaro kan na idirga amma wallahi ba do su gurge kimkimi amma so do sana yek ai ko aga da za aga da zigiri du na gurge sai amma harandir ko ba do sana gurge wallahi gurge da dai mana iko sabu gurge ra mana iko sabu dai gurge wallahi tubarakallah nan kai bor wa hakku da mu gurge ayiwa wai mana bai gaije mu wai ne baro wai no kindi wal bora waranka dina izar gurgyara kuli ibar ahaku ibar iye ibar idu noga kendi mai zari wat kunai kwe kar da final danga im du dai ga bisa koi to to kuba do ngo no mongo bai koi da mi final ite troisième adinga bar mu koi sabu da nan kai koi goginga ibarai kan go kan zasin tinan ga bumboy ne haino danga mata kai ne hai to ya dinga na kan mai ikon borga ai borm sabunda da yi wo dona isa mai goyo so gudi ya sino iko temo in fanda dabu ya dinga hi ye goyo tunu a yi goyo do zaman di da tukub gurga bani ga bani ni zai dama tukub fono gono yi zawo bai kul sasa nora ya dinga da gabi goy fotunu bari singa gurga mana bai ganje gabi goy tem dama gurga yi gwara ko fari da in fai da fari goyo ko gurga do ya dinga ne o da gandono tunu in fanda dabu ka da gandodo bor mo ka kan ban dan barera wallahi wo bai kulsi na gurgiya kan da ko bai kan bina sara. zama gurgiya kul kan go nizer bai kul kan gunda ma nizer dan bai kai zer sore hin zer nan zer ke inka gurgiya kul kan go nizer kan gunda ma amma gurgiya sai wat fon di gbara zer gurgiya foyan kan isin da arzaka dan gimi ne lada lada gurgiya kik tedi wat kul kan inda bara ko bai ni gazeri im koy arzaka gurgiya do nindam du ker kula mi egin zeri ya dinga ndi no bi kwen bora nwaro dan girora bai kulka ku bai gini ga zai da bai kursi mo kan ni gumburu wallahi kuna gurgi ara bai kursi bai bai sa ka bumbo an kuna radio bonna go sala isa ka bumbo kun da ba gurgi da salai a gane wallahi inga go koi kadai ko minga no sa amma sine inga go koi salai zeri C'était le portrait du lutteur Saleh Douda réalisé par Habibou Garba. Poursuivons avec notre playlist du jour, un autre tour en musique, chers, auditeurs, avec Salula de des

Wai su sai da porta mana sannan su maire. Duwa da kan zama sai ta ce porta portable samari sai a tashi. Sai ku nemo salula. wancan ka ɗauko sai ta ce sai samsin kullum sai ka tashi sai ka nemo salula can kaza mau sai ta ce kwarta sai ka sai ka nemo salula mai mota ya dauka mai raga ya fasa kyawun kukun mata mai kyawun banza zan kai wa aro sai wani nasuru kwara wanda ya yi zai sai idan ni gaba babu zancen aure babu zancen lakwal babu tarbiya sama hankalin su ya kubuce wai salula suke so dan saboda cin weekend wa ina aro sai wa suru kwara wanda ya yi zai sai ni gaba to ku gane mata wa kan mu bashiri to ku gane mata zamani ya kai kun ga bayan salula za ku samu portable portable na sidare zau baya aiki masu aiki gini te za a ba ku kyawun ku kuma ta banza san kai wani nasuru aro sai wani nasuru wara wani yayi zai sai ni gaba مسورو أروسي وجي مسورو ورواني يزي سيدنا نيجبان Yeah. Aya nulo yaine be barobako. Aya salulo yaine be barobako. يتسلولا كوا يتصوم جيرا أيا يسلولا كوا يتصوم جيرا لكشين كلغو إيا يندمون كشاداني لكشين كلغو سماري مسي أشابانزا ويدا أناكا أناكا يا يسلولا ويسي أناكا أناكا يا يسلولا أي أي أي أي أي أي أي أي سيدة بانكو إما تايا يسلولا sai na famfo yan mata yayin salula ai yayin salula ko ya taso mu je rawa ai yayin salula ko ya taso mu je kalugu ai mai ga taso ba ta salula ai ba ta salula ai siza ba ta salula kai ba ta salula ai hassan ba ta salula ai ba ta salula husaini ba ta salula ai ba ta salula ai markis ba ta salula ya kinkari yan mata ya ya kinkari ai maryama mata mu wai ke ma ya ya kinkari adina ta mu wai ke ma ya ya kinkari ai di ta ke ma ya kin gani ai ba ta salula illolo ba ta salula ai ba ta salula ai lewo ba ta salula ai ba ta salula ai lardi ba ta salula a kashin kalgo yayin da mun ka sha dade aka kashin kalgo samari mu sai ka sha banza ai mai ga عيني ببربكو هيا يسلولا عيني ببربكو هيا يسلولا هو يتصو مجيرو هيا يسلولا هو يتصو مجيرو ايبا تسلولا تاتيبا ما تسلولا ايبا تسلولا اي لمرم ما تسلولا ايبا تسلولا اي الاول ما تسلولا ايبا تسلولا اي مانو ما تسلولا يا يا كيكني يا ماتا يا يا كيكني hadiza ta tamu wai ke ma yaya kin gani ai mai muna tamu wai ke ma yaya kin gani kai ba ta salula killolo ba ta salula kakashin kalgo yayin da mun ka sha daɗi kakashin kalgo samari mu sai a sha ban ayya saman mana irma pene pene pene pene irma sote irma pene pene pene pene irma kere C'était celui-là de Guest Band euh, Fanta. Passons à présent à la chronique Lotti d'aujourd'hui. Nous parlons d'un problème qu'on rencontre dans certaines dans certaines écoles et une, exploitation des élèves qui dit, qui ne dit pas son nom par certaines enseignantes pendant les heures de classe. En effet, Rakia, c'est un constat qui montre que les élèves seraient utilisés pour des petits commerces ou des travaux domestiques. Cet acte est une faute grave selon les textes de la Direction nationale de l'éducation. Écoutons cette discussion entre toi et Samira Rouafi. affairage, affairage, affairage. affairage. ces enfants vont finir par me donner une crise. Coq, coq, coq, y a quelqu'un Oui, entrez. Hé, madame la maîtresse, bonjour, comment vas-tu <laughs> J'irais mieux si seulement ces enfants n'étaient pas aussi distraits. Regarde ces cahiers, j'en ai vraiment assez. Mais ma chérie, pose-toi la question d'abord. Cherche à savoir pourquoi tes élèves se comportent ainsi. Mais c'est évident. Une fois à la maison, leurs parents ne les surveillent pas assez qu'ils fassent leurs devoirs de maison. Parce que moi, je dispense bien le programme. C'est facile de jeter la faute sur les autres, n'est-ce pas Bref, ce n'est pas l'objet de ma visite. Je ne suis pas ton conseiller pédagogique. Ton, dis-moi ce qui t'amène dans ma classe. Voilà, j'aurais appris depuis la rentrée des classes que tu envoies des élèves chez toi pour qu'elles te fassent le ménage. Oui Mais où as-tu appris cela Attends, laisse-moi finir d'abord. Il paraît même que tu fais du commerce à l'école. Tu envoies tes élèves vendre des amuse-bouches aux élèves des autres classes. Cela les perturbe aussi. Laure, de quoi tu te mêles Ce que je fais dans ma classe ne te regarde pas. Et puis c'est à l'heure de la récréation qu'ils me font mes petites commissions. Parfois même c'est à la sortie de l'école. Donc en quoi cela perturbe leurs études Tu es gonflé, hein et s'il leur arrive un accident sur la route, qu'est-ce que tu vas faire Rien ne va leur arriver, Inch'Allah. Tu sais que j'habite juste derrière l'école et le ménage ne prend même pas du temps. Tu commences vraiment à m'agacer. Pour ton information, les textes de la Direction nationale de l'enseignement primaire a interdit à quiconque d'envoyer un enfant en dehors de la cour de l'école, même si c'est à l'heure de la récréation. C'est une faute grave, une atteinte au droit à l'éducation des enfants. C'est aussi une forme d'exploitation d'enfants. Qu'est-ce que tu me racontes là encore Tu veux dire que je pourrais être renvoyé Hé, eh, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je te dis de faire attention et faire correctement ton travail pour ne pas te créer des problèmes à l'avenir. Imagine si l'inspecteur ou le conseil pédagogique te faisait une surprise au moment où ses élèves ne sont pas en classe. Je n'ai pas vu les choses sous cet angle. Vraiment, je voulais juste me faire un peu d'argent des poches. Les temps sont durs, tu le sais. L'État ne te paye pas. L'État te paye et il le fait pour que tu donnes du savoir à ses enfants. Il est de ta responsabilité de veiller à ce qu'il ait un bon rendement scolaire, mais pas que tu sois celle qui les fera échouer. <laughs> Mais que dois-je faire maintenant Arrêtez tout simplement. Imagine si l'enseignante de tes enfants leur fait pareil. Quoi Elle n'osera même pas. Je vais la convoquer chez le directeur. Ah, tu vois ce que ça fait, non J'ai vraiment compris je vais aussi attirer l'attention de mes collègues. Bon, maintenant que ta petite entreprise va faire faillite, passe-moi ces biscuits, je vais amuser un peu ma bouche. <laughs> Tiens, sers-toi, je distribuerai les restes aux enfants aussi. Hmm, en plus, c'est délicieux. Hein. C'est combien ton dernier chiffre d'affaires même <laughs> C'est juste pour savoir. Laisse-moi <laughs> Chers auditeurs, nous allons à présent passer à la culture linguistique avec Jackie Delton. Euh, le mot du jour est voyage. Hello, dear listeners. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Le mot pour aujourd'hui est voyager. Voyager en anglais, c'est to travel. Travel. I travel veut dire je voyage. You travel veut dire tu voyages ou vous voyagez. I like to travel. J'aime voyager. Je répète, I travel, je voyage. You travel, tu voyages ou vous voyagez. I like to travel. J'aime voyager. Tomorrow, I will travel to my village. Demain, je vais voyager à mon village. Et parlons de différents moyens de voyager. Bien sûr, on peut aller à pied. By foot. Foot, ça veut dire pied. On peut aller en bus. En anglais, bus, c'est bus. Bus. On peut aller en voiture. By car. Voiture, c'est car. Donc à pied, on foot, par bus, by bus, en voiture, by car. Et maintenant, un petit quiz pour voir si vous avez pu retenir un petit peu. Comment dire voyage en anglais? Travel. Et comment dire je voyage? I travel. Tu voyages ou vous voyagez, c'est You travel. Et j'aime voyager, c'est I like to travel. Et comment dire Je voyage en bus. I travel by bus. Et comment dire j'aime voyager I like to travel. I like to travel. Do you? Travel. That was today's English word. Et n'oubliez pas de nous contacter s'il y a un mot que vous souhaitiez que nous expliquions en anglais. À la prochaine. Until next time. Pour nos chers auditeurs, comme l'a dit Jackie, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou des expressions que vous aimeriez comprendre en anglais bien sûr, mais aussi en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde. Votre participation est la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. sunana abdulljalil shebu bawa nan garin dogon dutse nake gaskiya studio kalangu babu abin da za mu ci sai dai mu ce gaisuwa gaisuwar fata alheri zuwa gare ku mun jinjina mu aikin ku kuma muna jin daɗin labarun da kuke bamu kama abin da ke burge cikin studio kalangu mutane gare su wa'anda za su baka labari su fayyace maka duka abin da ake nufi da labarin nan a yi maka shi da yaren turanci a yi shi da hausa a yi shi da zabarmanci duk yaren da kake yi sai ka gane ai ma hasani dai kango kuri ko azeno wallahi labawa ga bora me ame fo wallahi si jirbo bo gon kan kan se zamigo kan se labari yon kan go gi bon feri o labo gunda kuna da tre har al bahare do hare wallahi go de gon wari kom konda jina i kom bon fere ka tonto ka tonto i bora me ame labawa wa kusse ma kaci ide ai kaci ide wo i lokaci wone wo songo kai iga bade iri wo kurkoe harakano kalangu dai o kalango ima guna irse kalango ma guna irse mata kanno ara ka agate kate da o ima ka irse sigir kanga nan wodi alfarede kulkoy ma matiere kani wodi har irsi ba irsi ba ima matiere dori ba kayna zama ikula afolla to lalle boden ka iga ba ima fogona zama iri iya yo ne wo département do so wone wo dei bode kango furjineri dei igani fo igani bani ya iman donde zama ay kulkante ne wo iga hinka hansi irse di konda iri heno ido Et un dernier tour en musique avant de se dire au revoir avec le titre Rama de Moussa Tukur. auditeurs, c'est la fin de cette émission. Nous avons adoré passer ce moment en votre compagnie. Espérons que vous avez également apprécié. Retrouvez demain 11h Salamatou Kadri et Habiba Ahmed pour un autre numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou.